a fada ravi de vous retrouver cikin wannan sabon shirin namu na dukkan haɗu fada toujours au front cikin yakin da coronavirus sai inda mai ya kare saboda kufurfekin da aka ɗora a nan birnin yamai le 28 mars passé kowa na zaune a gida sa situation pesante yan film tare da haɗin gwiwar wasu gidajen talabijin suke ƙoƙari su rage ma al'umma kewa don duka dai wanda yake kallon noshen national yana ganin kudobi yan momo ana ta sawa filmomi niger tsohi ne da sabi ne kun gani dole ne wa'annan masu yan filmikin mu gayyato su cikin wannan shirin namu domin mu wannan mu ce don kin da suka yi tun da filmomin su ne wasu na san masu tsada ne ma yanzu dai ga sunan dai gratuit kuma muna ganin su a cikin tele shi yasa yau muka gayyato a fadar mu a nan gida sai cikin studio Kalangu Kwara Kano Umma Kaltun Bako ita kuma cineast ce fiction qui est un film d'ailleurs ou un documentaire documentaire de yi Ouma. ça va tanti ça va bien y a aiki aiki lafiya lau de de to merci d'être là nous sommes également à cette fois avec monsieur Baidari Yakuba il est cinéaste et acteur euh, il kun ga wani film inda il parle <laughs> C'est le sorcier là. Yawa. Ça va Hialo. Alhamdulillah, ça va. Merci d'être là. Également, nous sommes avec Monsieur Sani Mogori. Il est le directeur du Centre euh, national de la cinématographie du Niger. C'est ça, bon, bah, tu Oui, Monsieur Sani, ça va Directeur général. Oh, DG. Eh, <laughs> <laughs> voilà, c'est le directeur général. da <laughs> euh, sahabi Manu mamman. Yawwa. Shi kuma Ilesi ne sabi. Eh, ina kwana. Lafiya kalau. To, da dama ko. Alhamdulillah, sun da zabu sukan shirin tusa ala fada. Da wannan fadar kamar kullum tana ta da music kinta. Da rubric kinta da abokin aiki na don da ke sarrafa kuma da chronic kinta da Olivier. Olivier, ta mu mana. Wai, ça va, Rabi? Ça va, Olivier Yannick Oui, ça va très bien, Dieu merci. Euh, ce soir, on va parler du ramadan. Vous savez très bien que nous sommes à une période particulière de l'année. Tous les jeûneurs sont en train d'observer euh, des situations particulières, C'est ça de manger depuis l'aube jusqu'à la tombée de la nuit. Comment est-ce qu'on doit se comporter et surtout, qu'est-ce qu'il faut manger quand il est 19h, passé de quelques minutes l'heure de rompre la, euh, les jeunes. Ah ouais Donc, euh, vais vais canaliser un peu les choses parce que... De <laughs> ouf. Ah tu vois, là. Et surtout, ne pas beaucoup manger. Bon, on reste concentré jusqu'à la fin pour voir ce que ça donne. Ok, d'accord. Merci. Olivier. À tout à l'heure. Sur votre page, Monsieur Sanmogori, j'ai pris un programme de diffusion de films, fiction, films documentaires. De Kukirabama, chaîne nationale, qui et ça a débuté le 5 mai passé, c'est ça. Tout par le biais du 80 06 88 à 54, notre fil WhatsApp. Ils sont nombreux les jeunes qui regardent ces films Made in Niger. On les écoute en fait, les films, il faut déjà dire que c'est une chance pour les Nigériens de pouvoir regarder leurs propres films gratuitement sur les chaînes nationales. C'est vraiment euh, un effort que tous les réalisateurs nigériens ont accepté de consentir pour aider la population à passer du temps, à passer le temps pendant cette période dure, pendant cette période de confinement. Je pense que c'est une bonne chose. Les gens vont profiter avec le confinement pour regarder nos films nigériens. Ça va leur permettre de connaître les réalités de notre pays, les réalités de la vie courante des Nigériens. Je suis très contente de voir nos films nigériens diffusés sur nos chaînes télévisées. C'est très important et ce sont déjà des films qu'on adore et maintenant on a la possibilité de regarder ça sur n'importe quelle chaîne. C'est vraiment très intéressant. Depuis qu'on ne prend plus à l'école, je suis très contente qu'on met euh, les films nigériens sur les télés nationales. Car euh, avant, on regardait les chaînes Canal Plus, mais maintenant, on mettait les films euh, nigériens sur les euh, télé nationaux, maintenant, vraiment, si on n'a pas de devoirs à la maison, on peut venir regarder les films nigériens. a ah, gaskiya mu mun ji daɗi gaskiya waɗannan fina-finai na ƙasar mu da muke kallo yanzu a talabijin mun ji daɗinsa da suke in ba da yayin korena abu da muna gida da yake sa ana sa su a tele muna da damar kallo muna kallawa a da ko kana son wani film ka ji labarin shi an maka tamti sai a ce maka film tun da ko ka ce ka neme shi yana gizo yana maka wuya da zuma na diba na ga ana sa wannan film na chef kutukul wannan a wannan film ka ne na kware bai eh, mutum na samu ya kallon su kesan yana yin mutum mara fil wasu abubuwa dama ai eh, wannan ai sa su ma ya hima irin wa'ancan ka da sa na exterior wannan a yayin na coronavirus gaskiya haka ne ana sa mana filmuka duka tele dai suna sawa saboda kaga yanzu yayin coronavirus ne to ga nan dai <laughs> dole mu zo mu zauna da 'yan kanne da 'yan yanne da iya da uwaye mu zo mu zauna mu kalla tunda a da ba a samu na saboda sai mun zuba kudaden mu mu kalle su amma yanzu alhamdulillah ko ne tele suna samu na filmuka kun ji dai hajja abin umar gare ku kun ji dai wa'annan fanikin naku <laughs> ils sont aux anges ils sont tout contents de de profiter de vos œuvres cikin wannan confinement ki muna mhm. to madalla ina gaida kowa da kowa kuma mun yi murna da har yau everkin mu nigerian ga sunan ana sawa mutane na murna to mi an murna mu mu murna mu yau la jeune generation su zo su kalla su san menene kilcurkinsu menene tradition kinsu in kin diba mu film documentaire mun yi for example ni mon côté na yi yin film documentaire da yawa eh, film documentaire da yawa sai suka shahi tradition da culture yanzu kin gani ni cikin tradition akwai wasu tradition qui sont un peu délaissés la jeune ah génération bu su sani ba par exemple si tu prends un un kokota a milieu adar hmm. yau ko mata ma da kansu sun mance alors que zamanin da kwakwatan in mace ta aihu radda ta kwana uku da aihuwa ran na ake yin organizan kwakwata eh ran na ake yin organizan kwakwata kakin a yi biki dangin uwa dangin uba su gamu wannan jaririn tun wannan lokaci ya san ya zo duniya ya san ya zo cikin fami wow kin ga yara ba su san shi ba akwai yanzu nan ya mai ba gidan da zaki iskiya gidajen adara ko na abu an haihu a ce ana kwakwata ba a yi bah Est-ce qu'il y a C'est ça là, c'est ça qu'on appelle euh, d'une pierre. Euh... Deux coups. Dix coups. <laughs> on apprend et puis euh, on s'ennuie pas et c'est fun. Monsieur Sani, oui. ça va Ça va. On a un carreau qui cook organisé un choco. To. <laughs> Eh, c'est à ce tu ne regardes son infini fini. Aha. Ni dai su nake daga ma tuta. To. Parce que lokacin da shugaban kasa Muhammadu Isufu. Mhm. Yayi discours yace yana so duka en casa su yi sacrifice wani mai butik in shi rihe karhe karhe bakwai na marece kowa ya je gida dai ma'aikata a rage zuwa kai dai abubuwa dai lokacin nan ne kai tunani na ce to tunda dai gashi Allah ya kawo ga lokaci menene za mu yi mu kawo namu gudunmuwa sirce alhali kuma muna da fina-finai fina-finan mu kuma television in ga basu na halin su saya kenan lokaci ne wanda ya kamata mu jaraba mu gani Eh, mutane su zamana gida su kalli fina-finanmu su ga mu shi yasa lokacin na tuntubi yan eh, fina-finai kuma alhamdulillah ga sunan babu wanda ci a kowa ya yi maraba da wannan kuma har dai muka samu kusan film kusan ashirin. lalle yo eh. ai in ba dan ba muna a gida inda a ce yanzu cikin filin kunki ai da mun ce a taba musu su duka <laughs> to yanzu dai ai za a taba musu sun kai wani an petit nombre la sun kai tabi wato kuka taba musu <laughs> wala to ko juma to ya taba mu mun gode <laughs> c'est valable pour tout le monde voilà notre reporter euh, Habib Garba a rencontré le directeur des programmes de l'Office de radiodiffusion et télévision du Niger, ORTN, pour qui le partenariat avec les cinéastes est une véritable aubaine. Écoutons Idriss Omega. Avec l'avènement du Covid, euh, les cinéastes nigériens ont décidé d'apporter leur modeste contribution, d'où euh, la signature d'un accord de diffusion entre la Torten et euh, la direction générale de la cinématographie. Il a été mis à la disposition de l'ORTEN, ou du moins de télésalle de Tal TV, un premier lot de 20 films, puis un deuxième lot de 20 films, puis encore un troisième lot de 20 films et actuellement un quatrième lot de 20 films. Et ces films-là sont présentement font présentement l'objet d'une programmation sur euh, les antennes de la télévision nationale et de Tal TV. Et si vous avez constaté, euh, franchement, ces films font aujourd'hui la fierté de nos programmes parce que c'est du Nigérien, purement et simplement. C'est des films qui euh, reflètent notre identité culturelle. On s'identifie à travers ces films-là. Voilà. wannan dai kin warten ya yi magana baskan wannan kyautar da kuka yi muna so musan ku eh, monsieur baidari film ɗano ka bada eh ni film guda na bada ok zirbin zirbin eh fiction ce long métrage mai magana bisa kan al'adunmu na can wajen eh, sangaiboro lalle eh, ni ranar ina gida da director na cnc ne ya cire ni dj mm. ya ce mini lalle tun da shugaban kasa muhammadu isu ya yi magana ya ce kowa ya kawo kokarin shi mm. bisa kan harkan covid-19 din mutane su samu su zamna a gida don saboda a yi hatara da virus din mm. yace ai ana neman filmomi in mu yarda nace haba sani ya ka ce mu in mu yarda abin da shugaban ma ya magana dole mu mu to kuma kama jikin mutum da mu mu duka yan Nijar ne abin da ya shahe mu duka yanzu a gida ya ku ga yara in ban ma nan da sahi duk irin kalle-kallen da suke a tele wasu irin filmomi mai wanda ba san ba abin da yake ciki ba kai ba kaha ba kai ba kaha komai iri-iri suke kalla sai yau ga yana aka ce a ga filmomin Nijar to al'adun wasu al'adu ne wanda su da kansu ba sani ba ni kan kaina akwai filmomi da yawa kamar yadda haka yanzu vous avez découvert dans muka voilà qu'on avait découvert effectivement euh, avec tout le monde avec tout le monde il y a euh, quelques éléments culturels du Niger. Je n'ai pas connaissance de ces trucs. Et il a fallu dans des films pour que je puisse les découvrir. Ouais. Et je pense que c'est pour moi une autre façon de redevenir un Nigérien. Ouais, et donc, euh, je dois forcément inculquer cette culture à mes enfants. Et donc, du coup, de que j'ai yara, de que j'ai, euh, de que ça m'a euh, idan, c'est moi que j'ai tout. Wannan, alhamdulillahi, mu mu amince à 100%. Mu yarda, kowane un film da suke so a zo a ba wani kuɗi mu ce ne ma so mu ce mu ma mu kai irin kokarin mu bisa kan eh, harkan covid-19 monsieur sahabi mun gani akwai wasu filmomi da muka sani kamar su kamaskabo kuma akwai hallo wasu sabi yaya ne haddana naku a ciki eh to dukkan yabo da godiya sun tabbata ga sarki mahalicin kowa da kowa wanda ya ba mu iko kuma kuka gayyace mu a wannan wurin mai tarin albarka a kamar da bedard ya ce shugaba hutu ya ce kowane ɗan ƙasa ya bada gudunmuwa kenan mu a matsayin mu waɗanda muke wakiltar jama'a kuma muke son mu kawo wani sauyi na ci gaba a ƙasanmu ya kamata a ce ayyukan da muka yi 'yan ƙasa sun gansu duk da yake mafi yawan ayyukan da muka yi ba kowa ma ya san nijar ana yin filmomi sai a wannan karan mm, kenan cikin irin su eh na ba da film daya film kin sabo ne wanda kuka yi koko da yi eh to film dina na karshe ne hairam na ɗaya da na biyu su na bada oh, shi ne kuka bada shi na bada tunda na yi wannan film ne tun shekara ta dubu biyu da goma sha biyu yanzu kusan shekara takwas kenan ina gani kamar an niga ɗazu cikin wannan shirin namu kuma akwai artist da suke profite da wannan platform kin don su ba kokarin um, su cikin mhm. faɗakarwa kwantar wannan on a wannan ciwon da yake na yana tara matuka duniya ne covid-19 to yanzu ma shurari dondi cikin rubrikin shi muji wani artist ne game da shi wannan ga mahallo Nigérienne, Nigérien, mes chers compatriotes, une nouvelle maladie est parmi nous, un mal aussi risqué que dangereux, le Covid-19 l'artiste s'exprime. Tous à la Fada mode lutte contre le Covid-19. Euh, ladies and gentlemen, nous vous souhaitons la bienvenue sur votre rubrique. Euh, votre émission Jeune et comme vous le savez, engagé jusqu'au cou et jusqu'au bout dans le combat contre la pandémie qui sévit au Niger et dans le monde. Nous recevons ainsi à chaque fois, depuis quelques temps, euh, un artiste pour nous parler de son engagement dans la lutte contre le coronavirus. Aujourd'hui, nous accueillons sur cette rubrique le plus campagnard des artistes, un eh, mais <laughs> eh, il est aussi euh, humoriste et notre fierté nationale euh, sur le Parlement du Rire de Maman Gondwana, l'émission euh, phare d'humour africain sur les chaînes Canal Plus. alors il faut dire par là que aujourd'hui cette grande voix, eh, c'est tout simplement Alteste. Bonjour frère bienvenue dans la rubrique euh, artistes engagés contre le Covid-19. Tu vas bien Oui, je vais bien. tu pètes la, forme Je déborde même. Les verbes, ça va Ça va, toujours. Ok, super. Alors, on a quelques questions euh, qu'à te poser dans un instant, mais avant ces questions, il faut dire par là que tu, as, tu étais dans le combat Au fond, tu, nous as déjà euh, livré, mhm. en termes FADA, deux singles. Oui, j'ai livré. Sur euh, deux singles sur le Covid. Une première version en français, et une deuxième version en langue zarma. Alors, est-ce qu'on peut aller déjà avec la langue zarma un peu sur cette émission est-ce qu'on ne va pas aller un peu avec le français On va avec le français, c'est comme tu vas. En temps de crise, comme en temps de peur, le poète n'accouche que de textes. Face à l'actualité, voici ce que ma plume accouche. J'espère que tu le partageras avec toutes les couches et toutes les souches. Je, rêve de voir un monde où chacun retrouve son ancienne vie. Je rêve de voir une Italie qui crie. Je rêve de voir un monde qui crie c'est fini, c'est fini, c'est fini, le Covid-19 est fini. bon, c'est ce que nous espérons aussi, Miss Altesse. Merci en tout cas pour ces flots. Et je kiffe bien déjà ta façon de faire, il faut le dire. Alors, je voudrais poser une question, s'il te plaît. Partant déjà un peu de ton combat et des combats que tu as terminé, n'est-ce pas, pour freiner ou stopper d'une manière ou d'une autre le Covid-19. Alors, Altes, dis-moi, si tu devais définir le Covid-19 en quelques mots, en quelques euh, qualificatifs. Euh, euh, moi, je dirais tout simplement que le Covid-19, c'est un phénomène que rien ne peut définir. C'est pour ça qu'il faut surtout le craindre. Parce que non seulement il est invisible, et aussi peut être en chacun de nous. Et le drame dans cette affaire, c'est que souvent on se dit ça ne peut pas être avec mon frère, or ça peut être dans ton frère. On sait aussi que tu fais partie des premiers artistes qui ont fait parler de leur art dans les premières heures de la pandémie avec une vidéo en langue qui a fait aussi le buzz sur Facebook notamment. Alors qu'est-ce qui t'a poussé à, te lancer dans ce combat, mon frère Altesse Dis-moi euh, les motivations. moi je me dis que tu nous connais depuis le début. On est très, très euh, hein très engagés, on est toujours resté aux côtés des masses populaires. Et aujourd'hui, nous nous disons que notre raison d'existence, c'est le public. Et quand le public est menacé, c'est à nous de mettre ce public en garde pour qu'il survive afin qu'on se reprend encore demain. Non seulement il y a mon intérêt, et aussi c'est au nom de la nation, on est toujours resté pour la bonne cause. Alors on sait que tu as des fans, on sait que tu nous monde te on sait aussi que tu es kiffé à l'international parce que tu as représenté vaillamment les couleurs nationales hors de nos frontières. Alors Altesse Islamer, quel serait ton message à l'égard de tous les jeunes qui te kiffent parce que l'émission est consacrée à la jeunesse nigérienne, un message à l'égard de tes femmes, ceux qui kiffent Altesse, un message très fort pour leur dire que le Covid-19, eh ben écoute, cette maladie existe. Moi je me dis tout simplement, désormais il n'y a pas de couvre-feu, ça ne veut pas dire tout simplement que le Covid-19 est parti. Mhm. Le Covid est là, quand vous sortez, portez vos masques, faites vos activités et retournez le plus vite possible. Restez chez vous comme on le dit quand vous n'avez rien à faire dehors. Tout simplement. On a besoin des jeunes, on a besoin de cette nation forte et après ce Covid. On va faire donc un freestyle sur ces beat, eh, j'aime bien euh, mm. Dirganaga. Alors, est-ce que tu peux me poser un truc sur Dirganaga, sur cette émission Ok, d'accord. <laughs> Merci, Mr. Altesse, pour ces flots. Merci à toi, Dondi. Merci énormément. Ah. Comme toujours, tu as toujours été là pour nous. Et je te vois aussi, je te retourne l'appareil en te disant merci pour tout ce que tu fais comme lutte pour les artistes et comme aussi combat pour cette nation. Moi, je dirais plutôt merci aussi Dieu Kalangu pour le combat qu'il a intervenu pour lutter contre le Covid-19. Merci à Alors, c'était votre rubrique, euh, l'artiste s'exprime. Alors, ah, l'artiste, on n'a pas le droit de se faire euh, check, on n'a pas le droit de se faire. On se dit seulement ciao, à distance, on respecte la distanciation. Sous ce, de Alborei, Boruman kamba nyumgangwa ne respectons les gestes de barrière nkunne yaji skiyashira hey retour à la fada inda muke nan muna hira tare da sinyas kimu yan film kinmu manyan manyan bakin mu da muka gayyata a yau bisa kan shirin namu tusa alafa a nan gida studio kalangu siyar cikin studio kalangu kwara kano muna nan muna hiran filmomin da suka bada bisa kan talabijin da muke gani a koina ina filmomi kala kala da sabi da tsohi ku dai abin dai da kyan gani to ah. me sani ku da yake ku ke wakilta su duka wa'annan siniyastikin tunda yanzu muna cikin wani abin da ake ce ma crise sanitaire Voilà, muna so crise sanitaire banda wannan da kuka bada na vous avez entamé je sais pas ou euh, tourner, même si c'est des minuscules films bisa to wannan corona kin koko dai eh, ya yana da yawa mhm. eh, on a appuyé les radios communautaires OK on a récupéré on a créé des groupes avec la diaspora hmm. les gens ont envoyé des messages directement soit village kinsu pour les réveiller, pour les éclairer par rapport à cette pandémie. Donc ça, c'est ah un travail que le CNCN a fait. Tous les jeunes de, de CONIF, là, kowa ya yi message daga directement des messages ciblés dans les communes. Ah, Bancin haka nan cinéaste, cinéaste. sun yi da video sun yi video suka posté sur Facebook WhatsApp ko ina da ko ina. To mu abin da ya samu ce su seniors yau tunda an ci azam na gida ba abin da zai rike mutane gida in ba fina ba. suna suna duka suna yin suna yin da video suna filme suna yi suna publiye yanzu bari in dawo gare ku mai sai bai dari Après, ah, dans toutes ces diffusions vous êtes juste gentil avec nous tout simplement on est des citoyens nigériens et, tout naturellement on n'a pas besoin de réfléchir pour apporter sa contribution au développement de, son pays donc euh, on, ne s'est pas posé la question s'il y a de l'argent derrière ça ou pas non non non nous ce qui nous intéressait c'est tout simplement notre notre rapport Et l'un de l'autre, l'un de l'autre plutôt, on a eu un appel au plus haut niveau. Et, naturellement, on ne peut que suivre si on a vraiment le, euh, le sens du patriotisme, comme on le dit. Donc c'est vraiment tout gracieusement euh, et, avec les yeux fermés qu'on a, qu'on a décidé en tout cas euh, d'accompagner le peuple nigérien dans ce sens. <laughs> <laughs> wannan mu zan bada hausa tsari ne mun kai eh, tsari ne mm. mun kai da da television mm. kuma shugaban kin mu shine ya yi jagorancin wannan biki na rattaba hannu da an kai kina da mm. wa'adi amma mun ci in wa'adin ne ya kare in gwamnati ya gudda za mu koma kuma mu tambayi yan fina-finai amma wa'adi na wata guda ne akwai television kinu sun kawara tun lesenk wasu ba su fara ba sai wajen ludis kenan kuma sinyatur kin lardar da aka sinye ranar ne abin zai farawa akwai wasu ma yau muna cewa mu duba mu gani in sun kare mu ga mm. group kin film suke an sai mu kira masu fina-finai in sun yarda a ci gaba saboda komai dai yarjejeniya ce mm. ka aje yi abin da bai dace ba kuma ban banci haka nan abin da mutane ba su gane ba akwai kun sai akwai kudin film akwai dura dotar to cineaskin sun yi wannan har dura dotar su sun yi sai kenan ba a farkin producer kaɗai ba a far da dura dotar 120 miliyan na droit local in droit international ne kuma a ce tv5 ta tusa duka wanga film wajen miliyar biyu da wani abu za su biya lalle an yi kyauta kuma wannan solidarity ce ta ta cineast gudunmuwa ce ta cineast kuma Allah Allah musu albarka kuma wanga bai da kike gani duk cikin fina-finai an yi ganin shi ne ba film kin da bai hito a ciki ya hito aljani ya hito boka ya hito dan ya hito soji ba abin da bai hito franchement c'est un grand an tarkona ici hein gogo bai kada ai profiter ai an sorcelan fara kai je yi magana ce kaza kaza ai bai isa ba a raga ma fara ne akwai yan ai masu hana masu koran mayu cikin filmuka akwai na yan ai da ko ya hito ah, ah. <laughs> ga aljannu su za su yi maganin shi <laughs> so ai haguri ai haguri akwai arawa su ne maganin mai <laughs> to yanzu dai kuna jin wannan shirin namu za mu ƙara kuma mu shakata avec les filles de iligadar da suka yi waƙar tande Si maswada shi tawe na bigre da dole hawana Si maswada Saturday. ça c'est un gros big up à nos, aux fans de l'émission Tous à la Fada d'Agadez. C'est un gros coucou qu'on qu leur fait depuis euh, le siège du studio Kalangu. da mon, muna hira tare da wa'annan cineastikin namu euh, wanda muke nan tare da su bisa kan wannan kyautar da suka bada a lokacin wannan confirman ba mu ja confirman mu ce ku rufe da aka ce kowa ya zama gida da dare a wannan fadar muna tare da monsieur Sanamogori, directeur général du Centre national de la cinématographie du Niger. Nous sommes également avec uh, Mbako, Bako. Elle est cinéaste de fiction et aussi de documentaire. Film documentaire, nous sommes avec Monsieur Sahabi Manoumaman, il est cinéaste également. Acteur, comment Nous sommes ici avec Monsieur Baydari Yakouba, il est cinéaste, acteur, qui a joué dans... Promoteur culturel. Promoteur culturel, qui a joué dans... Promoteur de festival. Ah oui Ouais. Ah là là, ça c'est des pointures qu'on a ici. Enseignant. <laughs> Merci d'être là. enseignants au chômage avec la fermeture des écoles to zan mu ci gaba da hira ta mu yanzu wa'annan da muke nan tare da su pour mu ji abinda message kin da ku ba ma wa'annan masu shuraren mu in kuna da wani wata shawara dukkan wa'annan masu shuraren mu a cikin wannan fadar sur nos 41 radio partenaire dans toutes les régions du Niger zan mu shirar kuma sai baidari muna so mu shi me za ku ce ma wa'annan matasan eh, namu justement abin da nake so in ga musu sai ke mutane su yi respectan mesures à da ake ga hudi uhuh, uhuh. in an ce ya kamata a gida ba banza ba ba tunda virus din ba ta take da kanta ba mu Donc, il faut pas non plus attirer la colère du sorcier Zirbin. Zirbin. Ah, il ne faut pas s'attirer la colère de, de On revient vers vous, monsieur Sahabi. Muna son musan magana ku ta ƙarshe da e to magana ta ta ƙarshe dai shine ta malam ba ta wuce amin mhm. duka irin gargaɗin da shugabannin suke yi mhm. har zuwa kuma jan hankulan da su malaman kiwon lahiya suke yi akan wannan annoba ta kurna bris mhm, ya kamata mutane su kiyaye su bi duka matakan da aka ce ba don koyon ba saboda mu guje ma wannan cutar. kun ji ne malam sabi yanzu bari in dawo gare ku hajja umma magana da za ku aika ma wa'annan matasan masu shurara wannan shirin namu na tusa alfada bisa kan wannan ciwon da ya ke ci mana tuwo a ƙwarya <laughs> ya da komi da komi abin da zan ce ma matasa mhm. abu na farko din na saurare su suna ta murna da filmumuka da muka ba da gudunmuwa don su kalla su iya tuni alhorma wannan lalle ba za a ci ciwo ba a kira mai alhorma mai alhormar shi ne suka yi kallon filmin mu da komi da muka bada mhm, mhm. to sannan mun ba da dan a zamana gida dan ake kiyayi cuta su kasance masu ladabi zaman nan na gida muna ƙara an kurajen su don su zamana gida shi ya samu ka ɗauki aikin mu da muka yi tukuru mai tsananin tsada muka ba da kyauta don su kalla to kenan muna da buƙatar su zamana gida ciwon nan bai iske ka gida me in ka fita sai ka kai ka ɗauko shi ka kawo shi mu kuma mun yi musu maganin lokacin sai in ka zamana kana kallon fitin da duk shanarkin da ka buɗa ta talabijin sai ka haɗa bisa filmikin mu dan Allah su kasance masu ladabi abin da magabata suka kwaɗi su riƙe dan kanmu ne kun ji dai eh. hajiya mm. wannan kyautar da aka yi ba wai dan banza bane aka yi ta kuma ka kusa su ma su yi da kuraje mana to yanzu bari in dawo gare ku monsieur sani magori magana ku ta ƙarshe da za ku kai a bisa kan wannan shirin namu to lalle eh, wanga sun gai abubuwa da yawa mhm. amma abinda zan karawa mm. shine wanda suke da hali su kara taimakawa saboda yanci mutum ya zana gida wani bai da halin zama gida mhm. a taimaka wanga wata ne na taimako kuma eh, di witmem o 14 semaine nationale ta solidarité ce niger mhm. kenan ya kamata a ce kowa ya taimaka saboda wani yana so ya zama gida bai da halin zama gida sai ya huto to ya amma olivier olivier comment tu vas Ça va, Mohamed Yazmi Ouais, ça va, tranquille. Et de ton côté <laughs> Ça va bien. Super. ok. Et la bah, ce soir, comme annoncé dans l'intro, on va parler du jeûne. J'espère que tous ici ont jeûne. Eh ben, bien sûr, j'ai obligé. de la population nigérienne, euh, et tout. Ah ouais ah, Il y a des sorciers qui jeûnent pas. Les Pogobri, là, c'est pas sûr. <laughs> Il y a des malades. C'est les mégas qui jeûnent pas. Ou les mégas. C'est lié à la maladie. Ah, là, ça sent la provocation. Ah, bien sûr, bien sûr, on a des mots pour répondre. Fidèle auditeur, bonsoir. J'espère que vous allez super bien. Et eh bien moi, tranquille. Ce soir, dans la chronique, nous allons parler de ce que nous devrions manger en ce temps de Ramadan, avant et après la rupture. Mais d'abord, ravi, je suis tombé sur le mot souhour. Je me suis demandé bah, de quoi s'agit-il. Mais Olivier, on mange pas avant la rupture. C'est à la rupture qu'on mange. D'accord, tranquille. ne <laughs> pas donner des idées. Hein. Non, je ne donne pas d'idées, bien sûr. oui, on t'écoute. D'abord, le souhour, c'est quoi Selon le site islamweb.net que j'ai visité, ce mot désigne actuellement prendre de la nourriture peu de temps avant l'aube. Ceci précise également ce que nous devons éviter dans nos pratiques de consommation en ces temps de Ramadan. Naturellement, nous devons forcément éviter l'excès parce que l'essentiel c'est pas de remplir nos ventres, mais d'être concentré sur la volonté divine et d'évoquer Dieu. N'est-ce pas, Ravi? tu vois, tu confonds les choses. Ça sent <laughs> la Non, dévie, dévie, toi aussi. <laughs> Ainsi, il ne faut manger que lorsque nous avons faim et arrêter de manger dès que la faim disparaît. S'il y a une question essentielle pour notre santé en ces temps rabis, c'est comment s'hydrater. Au Niger, on sait très bien que facilement, on tape les 40 degrés, ce qui veut dire qu'il fait excessivement chaud. Après une longue journée de prière, le jeûneur reçoit, ressent une soif et désire ardemment boire. Eh bien, c'est Maghrib, Il est l'heure de rompre qu'est-ce qu'il faut faire Il faut tout d'abord se souvenir qu'il y a des règles de santé et il faut les respecter. Voilà pourquoi je vous propose les conseils du nutritionniste Abzoul Razak Bello. On l'écoute et on revient juste après. La première chose, c'est vraiment la consommation de boissons. Je fais plutôt référence à la consommation de l'eau. Habituellement, on a besoin de 2 à 3 litres d'eau par jour. Maintenant, pour avoir ces 2 à 3 litres d'eau par jour, euh, comme on est en période de ramadan et que nos activités sont essentiellement nocturnes, ce qu'il faut éviter, c'est de prendre de grandes quantités d'emblée. quels sont tes premiers gestes que tu fais, Ravi, après l'ablution et tout Qu'est-ce que tu fais Le thé l'été tranquille. et j'évite le sucre, euh, parce que pour moi, il ne faut pas que ça me crée des problèmes après. quoi. <laughs> j'évite trop le sucre. Super. Merci également à Rukayatou Abdurrahman qui a réalisé cette interview. Et bien, cher ami, prenez soin de vous et surtout, passez un très bon moment de Ramadan. Merci, Olivier. Bonne rupture à toi c'est la fin de tout ça la fada merci à nos chers invités ka muka gayyato yau kuma suka zo suka ba mu karin bayani bisa kan wannan mun gana su da suka ba mu gracieusement da mu zamna a gida mm. on s'ennuie pas mm. Il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts, des sorciers, des documentaires. le, mystique. Le mystique, il y a vraiment tout là, total. Ka commence bari, ka a sa kuma su kuma su comme décourager. Sun ba da film kuma su ga mutane suna yawo kan hanya da dare. Ai kun ga abun ba daɗi to sai kun haɗu gobe da abokin aiki na don shi kuma zai yi hira bisa kan um, impact kin wa'annan diffusion kin da ake nan ga yi karɓuwar shi kuka kuma ce wannan shirin namu kuna iya aiko mana ra'ayinku a bisa kan labar mu shida tamanin takwas hamsin da hudu a sharuwa lahiya sai mun ƙara haɗuwa au revoir